Depuis le début, euh, le, 3, le 3 février, nous organisons des rencontres euh, de porte à porte dans tous les quartiers de, de Aujourd'hui, c'est le tour de Djiringor. L'objectif est de distribuer des flyers de Diomaye, montrer aux populations que euh, c'est le candidat de Bassir Diomaye et le candidat de, de, de Sonko pour que la population de Djirino, de Jigensor, de manière générale, puisse voter le candidat Bassirou Diomaye Faye. Euh, le président avait annulé les élections, mais nous, on n'a pas regardé ça, on, on s'est fixé sur nos objectifs depuis le 3, comme je l'avais dit. Donc, nous exigeons aujourd'hui, depuis toujours, que Macky Sall fixe les, la date des élections au plus tôt possible avant le 2 avril ce que nous exigeons, la population de Jigenshore, de Djiringo, un peu partout. Donc nous exigeons une date pour les élections présidentielles. Depuis le 2, on a multiplié par zéro ce dialogue. Et aujourd'hui, on ne répond pas, on ne répondra pas. On exige tout simplement une date pour les élections présidentielles. On est fiers de lui, euh, c'est Bassirou Diomaye euh, qui est notre candidat et qui sera le futur cinquième président du Sénégal. Oui, nous appelons à la mobilisation. Ici à Gigasso, nous avons nos coordinateurs qui sont engagés. Vous avez le recteur qui est là, les, les doyens qui sont là depuis le début. Nous faisons des porte à porte. Le message est passé à Giguinchor. Donc, nous attendons seulement la date des élections Nous avons en face notre bureau de vote, Marie Afinko Diata. C'est notre fief, c'est ma base politique à Djirigo. tey tey nag ñoo ngi fii ci wàllu coalition Diomaye président dañ fi nekkal ñu am suñu président mooy Bassirou Diomaye fay moom la ñu nekk di def ay porte à porte depuis le 3 février di dem quartier Ziguinchor yi yëpp tey nag turu Jiringoox la di ñaawlu rek di ñaawlu comportement Macky Sall depuis le 2 mu xaar à moins de douze heures des élections mu annuler ko de un boobu ko mais encore dialogue bu mu woote ko parce que beaucoup ci charte constitution sont lu légal li nga xamante ne nañ ne lii ponk la forcément dinañ ko def loolu moo ñun dañoo gis ni euh, on n'est pas obligé d'aller pour dem répondre dialogue bobu moo tax demuñu répondre luñ koy wax xaw ma 48 heures la wax dialogue bi waaye su jeexee rek nañ ñu jox date bi nga xamante mom lañuy organiser suñu élection ndax ñun am nañ suñu coalition am nañ suñu président bi nga xamante wolu nañ ko ni que dina gagner au plus tôt avant ñi fermer bureau de vote à 18 heures. pas zéro lañ ko multiplier ñu xoti sànni ko fële di xaar.